En fait, euh, de façon, euh, on, remercie vraiment notre point focal, donc euh, la tire du Forum civil, donc qui a bien œuvré pour que cet atelier puisse aujourd'hui réussir à atteindre tous ses objectifs. parmi ses objectifs, c'était de former les leaders politiques, les organisations féministes et aussi les OCB sur la question du leadership transformateur en faveur des droits des femmes et des filles. Parce que nous voulons des leaders, mais des leaders transformateurs vraiment pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés en termes de changement en faveur des droits des femmes et des filles. Ah, donc, euh, je pense que l'objectif a été largement atteint. Je suis membre du bureau exécutif du Forum civil. C'est un plaisir aussi d'accueillir notre sœur amie qui est venue animer un atelier pour le leadership transformationnel des femmes. Bon, vraiment, et je pense que l'assistance a été séduite parce que vraiment, elle s'en est brillamment. Donc moi, c'est juste ce témoignage que je voulais faire, qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'avoir nos, nos, euh, qui se battent et, qui se battent pour vraiment changer la société. Et je l'ai dis dans la salle, hein, moi je suis très optimiste, je sais que l'avenir du Sénégal appartient aux femmes. Je suis ici au niveau de cet euh, atelier pour représenter M. le maire Amadou Mansour Faye, en même temps la commune de Saint-Louis. Cet atelier comportait sur le leadership féminin organisé par euh, l'Association des droits de l'homme. Et le, la journée que nous avons faite ici nous a beaucoup capacité sur les, surtout le comportement d'un vrai leadership et les exposants nous ont donné des enseignements qui, une fois à notre base, nous allons surtout changer notre comportement, mais aussi avoir une nouvelle euh, stratégie en ce qui concerne les bases que nous représentons ici. Tay dañu ñu won fi pour ñu participer ci formation bi nga xamante wa Oxfam aussi wa 3D l'homme ñoo organiser pour jigéen Ndar mun ci participer ci lan sur leadership bu euh euh pour comment lan lañu mëna mun a forcer jigéen ñi nan la ñu def ci jigéen leadership bi nga xamante ni dina leen permettre ëllëg ñu mun a gérer cité bi dina leen permettre ëllëg ñu mëna dugg ci mouvement yi entreprendre. défendre doxal comme ñëpp donc tey ñëw nañ fi wax nañu yan caractère yan charisme yan yan jikko lañu ñu war a war a gis ci leader nit ki nga xamante ni daa war a daa war

ñu ñuy jàngal aussi nan la ñuy communiquer entre ñu nekkal suñu association yi dans la vie communautaire dans la vie courante ñu jàngal ñu ko jox ñu ay outils yi nga xamante ni fépp fu ñu taxaw wax lu ñuy wax dina clair dina explicite dina leer ba ñëpp ñu koy déglu daan ci mën a jëriñu mu doon lu am solo li nga xamante ni waa Oxfam ànd ceeg ak waa droit de l'homme tëral nañ ko fii ci Ndar ñun ñëpp ñu bénéficier ci di wax jeunes bu ñu amee opportunité yu mel ni nañ ci dem parce que day yokk seen connaissance yokk seen compétence ba ëllëg fépp fu ñu mën a taxaw mu feeñ ci ñoom